gëm leen dina gën a baax ak góor gi dina neex li ñu naqari dañ la gisutoon bi la yàlla andee féexal nga réew mi xéwal a ngi nii naataange ngi nii ak góor gi njëriñu Assalamualaikum, xamoon asalaamaaleykum département de bunkiling maa ngi di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sante di jiital bi suñu honorable maire malans Fati moom Ba Fati maa ngi leen di nuyu di la nuyu di la jox sa way di nuyu sa délégation bi jóge Dakar ñom ñëpp jité ko par Lamine cham ak euh, Lamine Diallo honorable Lamine Diallo maa ngi di nuyu yéen ñëpp di nuyu seen délégation bi ngeen àndal te naan leen massa Casamance yombul nawet jar moo jar ñuy nuyu ñëpp wax ji nag du gudd parce que dafa xaw a metti te yoon wi ñii fu dafa sore damay jox honorable Malam Lamine Fati mu jël kàddu gi wax ak population Nous population de Bunkili, je voulais d'abord vous remercier remercier la délégation du président Abdoulaye Wade qui est en train de sillonner la Casamance population de Bunkili. L'heure est arrivée pour un changement véritable dans ce Sénégal. Le Sénégal de Abdoulaye Wade, le département de Abdoulaye Wade. Parce que vous, avez, vous savez très bien que ce département est de la création du président Abdoulaye Wade. Malheureusement, il l'a légué à un incompétent. Un incompétent à la dimension du président Macky Sall. Vous savez, dans ce Sénégal, dans ce Sénégal, on n'a même pas de liberté, on n'a pas la paix. Il a tronqué la démocratie et il a développé l'homosexualité dans ce pays-là. Chers jeunes, nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour libérer ce pays. Vous savez, ici même dans ce département, ici même dans ce département, le 17 juillet passé, un délinquant commandité par le président du conseil départemental de Bunkini est allé fusiller deux jeunes dans leur propre maison. Aujourd'hui, le procureur l'a libéré. Le procureur l'a libéré. C'est dommage dans ce pays. Quand on est avec Macky Sall, on est intouchable. Mais quand on est de l'opposition, vous êtes astreint à toutes les actions qui vont nuire la démocratie dans ce pays. Je peux vous citer l'exemple de Karim Messawad. l'exemple de Karim Le président Wad a tout fait pour le président Macky Sall. Voilà la monnaie qu'il lui a rendue. Je peux citer aussi l'exemple de Alifa Babakar Sall, une personne qui est au service de sa population et qui a été emprisonnée par le président Macky Sall. À qui le tour À qui le tour, les jeunes C'est le moment, le 31 juillet 2022. Nous devons tout faire pour qu'il n'y ait plus de manifestations dans la rue. Il faut rompre avec le président Macky Sall et gagner largement l'Assemblée nationale. Parce que si on gagne l'Assemblée nationale, le président Macky Sall va quitter ce pays-là. Il ne va plus attendre 2024. C'est pourquoi nous devons tous nous engager. Nous devons tous nous engager. Nous devons tous nous engager. Mbadiounou, nous Mbal Kontona, Mbal Tentula, Mbal Djaïla. Délégation de Moulbe Natadjan, Monsieur le Président Lamil Nous avons ici des personnes qui ont quitté Benno yakar et qui sont venues nous rejoindre dans notre action de développement du département de Bunkine. Parce que dans ce département, il y a trop de mensonges. D'autres mensonges d'État, ils ont su qu'aujourd'hui, l'avenir du pays appartient à la coalition Wallou-Yewi.